za mu shirin ku na matasa tous à la fada dubin gaisuwa da fatan alheri zuwa ga aminan mu na fada qui nous suivent depuis Difa, Zender, Tilaberi et partout au Niger. Le 15 octobre passé, c'était la rentrée scolaire. Amis de la fada et partout au Niger, élèves et enseignants sont comme à l'école. ita dai wannan rantaren sabilin annobar covid-19 da wannan ambaliyar ta tsindima yallai da yawa cikin wani mummunan hali ba aka gusata da normalman le 1 october ne ake yi ko to yanzu aka maida ta le 15 c'est pourquoi la FADA a jugé utile de faire un zoom sur le contexte dans lequel reprennent ses cours. de Qu'est-ce qui se dessine à l'horizon de cette reprise de cours Pour en parler, Tomoses ABM Abdraman Babo Megizo, Kouharakano Nord, et plus précisément dans une des huit classes en paillotte de l'école. Comme invité, nous avons M. Khalilou Kalassi, il est professeur de français. M. Khalilou, ça va Vous allez bien Ça va, ça va. Et cette rentrée Oui, la rentrée, elle est là. On la, Bon, on la sent comme... pas comme les autres années, parce que cette année-là, c'est une année assez particulière. En tout cas, on a commencé, même s'il n'y a rien de positif qui se présente à l'horizon. Nous avons Mohamed Abdou de la section régionale ici au collège. Ça va, Mohamed Ça va. Yanni Ça va, alhamdulillah. Dadama. Ya komba, ana komba, koko an dan ah, komba. D'accord. Nous sommes avec Moussa Suleiman. Il est en classe de terminale. Ah, ça va, Moussa Oui, ça va bien. Yara qui est dedans Ouais, dedans. Yara rentre oh, ça va aller. Oumoulker Idrissa, elle, est en classe de première A. Comment ça va Ça va. Tu vas bien la rentrée je vais bien, merci. La rentrée, ça c'est pas mal parce qu'on peut dire cela. Ok. Il n'y a pas de fada sans musique. La rubrique qui sera l'affaire de Rondi et la chronique d'Olivier qui vont nous accompagner tout au long de cette émission. Coucou Oli, ça va, Rabi, comment tu vas je vais bien, Oli. Ah ben, d'abord, civilité obligée. Bonsoir, Ravi. Bonsoir. <laughs> Et bonsoir à tous nos auditeurs. Ce soir, destination Nigeria, pas pour parler de Ibo mais plutôt pour parler d'une manifestation contre les violences policières. Ok. Donc, on revient à la fin pour faire le point. D'accord. Très belle émission, Ravi. Merci, merci. À tout de suite. La rentrée des écoles primaires, des collèges et des lycées, c'était le 15 octobre dernier sur toute l'étendue du territoire national. In ji minista Kanana makarantu Dauda Mamadu Marte da ya buɗe somawar karatun bana a l'école primaire Angela Merkel à Ongwal Goudel, Tanyame, toutes les dispositions sanitaires, matérielles et humaines sont prises par les autorités pour l'effectivité de cette rentrée. magabatan kasar sun shirya ma wannan rantaran tsaf tambayar mu ta da zamu ma wa'annan wanda muke tare da su comment se cette rentrée mohamed ya donc euh, en ce qui concerne la rentrée eh, il faut se le rappeler au Niger, il n'y a toujours pas de rentrée eh, sans problème. Il n'y a jamais eu de rentrée sans problème. Et il faut se le dire, la rentrée devrait se tenir euh, le 1er octobre et qui a été reportée jusqu'au 15. Ah, ça veut dire ah, qu'il y a ah, vraiment un sérieux problème. Euh, à cause aussi des sinistrés qui ont un peu occupé euh, les différentes écoles, d'où entre autres le CS Saga chez Genève de Harobanda, ainsi de suite. Ra rentre maman, tai can saga hmm. parce que mon samu euh, mon saloli, hmm. mon waɗanda ruwa ya tada su cikin gidajensu da aka kawo cikin lakololi sun ki hita cikin lakol mun tai muka gansu heureusement nous avons appelé le gouverneur hmm. et de, avec les forces de l'ordre suka samu suka tada su kun san mutane ne wanda aka kawo cikin kalasosi yanzu mm. abokanmu za su cikin kalasosi mutanen nan muta me ake cewa don ka euh, a aussi exigé à ce qu'on on, on fait on fait la désinfecte mm. on désinfecte les classes pour que mm. les élèves puissent euh, effectuer la rentrée kalilu inda gare ku ko dai professeur ne ananga to to an shi shirya mata wannan rantar tsaf ne sai bon kawai to kakin dai fara bari in ce muku barka da zuwa eh, surtu mun gode muku da kun <coughs> kuyi shuwa bisa ikon mu nan ga suya sabem rantai nan mun in shi da kowa ya zo ya kol sandikai mu ba su mu ta gira ba kan mu zo ba don kowa ya yi repris in su mai mai kaman comparaison ne pas raison kai comparaison wannan ranta da su bana kaman en terme de frontier scolaire c'est carrément, il n'y a pas match quoi. Quand vous prenez l'année passée, c'est vrai, l'année passée avec l'histoire de, l'heure commis sur la carte, euh, mm. sur une région de Tilabri qui a vu les, cahiers se faire retirer. Mais donc les élèves se retrouvent avec un cahier, un cahier. Mais cette année, tenez-vous bien que les, cahiers de, les élèves de Terminal, chacun n'a eu droit qu'à 5 cahiers. 5 cahiers répartis comme suit. Les élèves peuvent peut-être me corriger après. si Donc un cahier de 300 pages, deux cahiers de 200 pages et de, deux cahiers de 100 pages. Pour les élèves de première, ils ont eu droit à trois cahiers de 100 pages, 100 pages et deux cahiers de 200 pages, 200 pages. Donc nous, nous autres même qui sommes enseignants, qui devons préparer des leçons, nous n'avons eu droit que 5 cahiers et autres là. Bon, bisan harkan COVID, akwai wadda wasu wasu matakai mm. da sun dauka tun da an ba kowa ba vet biyu elev mm. wanda bai su wannan haraka, babu masala duka mm. duka mun yi ranta dai za a ce. Shi kuma Musa kana da karin bayani? Eh ina da karin bayani. Mm. Avant que on karin bayani da nake da cour mu ga tunan mun yi rentrée ça va la rentrée ça se passe bien mais un jour, nous ne sommes pas dans des bonnes conditions par exemple les classes les classes ne nous suffisent pas des tables bancs des tableaux Maintenant, les, même les élèves de, de la 5e, 6e n'ont même pas de classe. Ils n'ont même bah, pas commencé cours. Oui, oui. Je m'en fais avant. Je on a été de le 15 de rentrée. Quoi que d'abord, je suis en classe 6e. Bah,

Hmm. Les pneus, nous les avons plantés là-bas juste pour euh, éviter certains accidents. Hmm. Et vous voyez, comme vous, vous pouvez le constater, c'est un chemin. Les voitures, les, tout genre d'automobiles les suivent. Ils peuvent toutefois s'arrêter et, et, nous, renverser. Voilà. Et comme l'a dit le camarade Yadema, hmm. si l'État nous donnent des bavettes pour eh, rester en classe. Puisque des fois, si on ne porte pas de bavettes, on nous fout dehors. Et, c'est bon de porter les bavettes, certes. Et Qu'en est-il de la distance Ils ont parlé d'une distance d'un ou deux mètres. Alors que vous êtes 50 par classe On est plus de 50 même dans une classe. Trois élèves par classe. Par table Par table du moins. On est 69 pour être exact. 69. To, ita y ba a amani a ce a ɗora su a kan mutum ne ai da yanzu ya haɗi abin ba kaɗan ba ne to yanzu ku tsaya za mu ci gaba da wannan hira amma za mu ƙara tana ma masu shuraren mu lambar mu wanda suke iya aiko mana tambayoyinsu a bisa kanta kuma su ba mu ra'ayinsu bisa kan wannan shirye-shiryen namu 8006 sin kan mu ci gaba da wannan hira zan mu je shi kuma bangaren dondi cikin rubrikin nashi l'artiste exprime mu ji wani artist ne zo mana da shi cikin wannan emission kin Nigerian, nigerian mes chers Sur tout ça, la fada, l'artiste s'exprime. Bonjour et bienvenue sur votre que L'artiste s'exprime. Nous accueillons aujourd'hui un artiste reggae, man confirmé. Il est nigérien, il vit en France, il s'appelle Salim Dia Peter. Salim Dia Peter, bonjour first lion of Judah. Yes. blessing, Reste donc avec nous aujourd'hui, on va parler au maximum de la musique reggae, la seule musique non falsifiée. Alors Salim Diaputer est un artiste nigérien qui vit en France. Eh, il va nous parler de qui est véritablement Salim Diaputer. Alors Salim Diaputer, parle-nous de l'artiste sur l'émission Tout ça Alors Salim Diaputer est tout simplement un enfant de Calais et de Niamey. Et je vais dire euh, qui a grandi dans les ghettos, les gloglos, comme vous le savez. Et après plusieurs aventures, euh, je vais dire en 1989-90, j'ai pris les chemins. Donc je suis parti voir euh, Fela au Nigeria. Je suis resté à peu près trois mois. À mon retour, j'ai pas pu rester encore au Niger. Je suis parti voir les polyrythmes au Bénin. Et donc, euh, de retour en 93, j'ai décidé de faire mes bagages pour aller m'installer en Côte d'Ivoire. Et donc, euh, en ce temps, avant tous ces, départs, euh, ces aventures, j'étais aussi le, un des fondateurs d'un très grand groupe de danse à l'époque, dont il y avait Gabiro, Homeboys, et nous, on s'appelait New Generation. Donc New Generation, on a dansé avec euh, les Starmania, pas mal euh, des personnes euh, dont Baba, Babaï, et vous connaissez Lawal qui est à Toulouse. Et toutes ces personnes, c'était dans, la même génération. Super. Et après, l'aventure est longue, hein, parce que euh, je ne sais pas comment vous expliquer où s'arrêter. Donc, je suis arrivé en Côte d'Ivoire mhm. et j'ai courtoyé des différents artistes euh, reggae man, dont Alpha Blondie, Chicken Diafakoli, Ismail euh, Ahmed Faraz Et donc, ça a grandi là-bas. Après, c'était dans le groupe Mystic Vibration que j'étais le deuxième chanteur jusqu'en 98 où j'ai fondé mon propre groupe Mystique Ténéré pour faire un appel toujours aux origines et le dont le nom du Ténéré résonne partout dans le monde entier. Et euh, donc en 2002, je suis revenu à Niamey où j'ai sorti euh, un single euh, qui a touché pas mal de personnes qui s'appelait le message de Cap. Suite à ça, j'ai décidé de venir euh, m'installer en France. Super. Tu vis en France, de plus depuis Belle Roulette. Alors qu'est-ce qui a motivé cette euh, décision Ce qui a motivé euh, tout ça, c'est-à-dire c'est le goût de, de la découverte, des échanges. J'ai toujours aimé et connaître l'autre, découvrir et aussi connaître et, échanger avec ma culture, les autres cultures, et parce que je suis métisse dans la tête. Super. Alors, on sait que euh, l'artiste se définit aussi par son engagement. As-tu des causes que tu défends, Salim Diapito Je peux dire que depuis 27 ans, je, fais, je suis dans l'humanitaire, puisque l'humanitaire, vous savez, ça commence euh, par soi-même à partir du moment qu'on est en aventure, qu'on envoie des petits soutiens à sa propre famille, c'est de l'humanitaire. Moi, je l'appelle de l'humanitaire. Alors, je voudrais surtout que euh, vous laissiez un message à l'endroit des artistes nigériens. On voudrait aussi, avant ce message, avoir euh, la vision en question de l'artiste Salim Diapiter sur l'émission Tout à à travers la rubrique L'artiste film, la vision de l'artiste hein, de la musique nigérienne en général. Alors, tout, simplement, euh, euh, au niveau des artistes euh, du Niger, je les félicite parce que non seulement faire de la musique au Niger, c'est vraiment un vrai parcours de combattant, pas que la musique, dans tous les secteurs artistiques. Et, je fais un grand big up à tous ces acteurs parce que vraiment ils ont le cœur la main et ils tiennent le drapeau. Euh, même s'ils si ne sont pas de l'extérieur qui sont là, ils font de leur mieux et ils, ont montré encore tout récemment des actions de solidarité vis-à-vis des personnes victimes des inondations. Donc, je ne fais que les féliciter et les encourager à s'entraider, à se soutenir, à rester travailler les mains dans la main et nous avons un grand défi à lever pour notre nation. Merci Salim Diaputer pour donc ce premier angle. On va se prendre donc dans un instant ou disons demain euh, pour donc le deuxième angle sur l'émission Tous à la Fada, la version euh, franco-germain. Merci Salim Diaputer, à très bientôt. big up, big, up. très One love. Ah, garantir un la rentrée scolaire 2020-2021 dans un contexte particulier. Comment sauver l'année Comment faire en sorte que cette année soit une année de réussite shi yasa yo muka zo muka ɗora wannan Fader a nan ga abm abdulrahman Bawo mai gizo a nan kwara kano nor ta hira tare da su Alabang da Mushish Kanasu cikin wannan fadar muka gayyato muhammad abdu de la section régionale lycée et collège. Kalilou Kalassi, lui, il est professeur de français. Moussa Suleiman en classe de terminale A et Umulker Idrissa en classe de première A. Yo yo yo littéraire ne muke muna hirar tamu da su. Tambaya ta ta hudu. Ita wannan COVID kin dai ba ta yi ban kwana da mu ba irin wannan a ce kwata-kwata. Donc, ɗazu kun fara zancen bavette. Mais qu'en est-il des dispositifs sanitaires dans les écoles? Umu, Umulker, a eh, école kin gana ku? bayan bafet akwai wani dispositif sanitaire da aka dora muku non il n'y en a pas il n'y en a pas ouais d'accord il n'y a pas de oui l'année passée mhm. lorsqu'on était rentré la mhm. rentrée de covid il y avait des seaux du savon pour qu'on a amené aux élèves pour qu'ils puissent laver leurs mains mhm. mais cette année vraiment ils ne nous ont pas amené cela il n'y en a pas ouais. d'accord mains ana babu c'est un peu partout eh, par rapport, par rapport au kit de lavage de mains, hmm. euh, ils ont déjà commencé à distribuer. Euh, sauf que peut-être ici, ce n'est pas encore arrivé. Mais sinon, dans plusieurs écoles, on a amené des cartons de savon et des seaux euh, pour que les camarades puissent, la, pour que les camarades, puissent laver leurs mains. Mais je vous rappelle, je vous dis, ce n'est pas le fait de se laver les mains, le fait de porter de bavettes qui va nous éviter de propager eh, le Covid eh, au niveau oh, des établissements. Hmm. Je vous dis, il va falloir amener, eh, c'est-à-dire euh, des spécialistes à la devanture des écoles pour prendre la température de, chaque militant avant de rentrer. Parce que le militant, il peut avoir le corona, il va rentrer dans l'établissement, il va se laver les mains. Dans tous les cas, c'est la sueur, il va encore suer et ses mains vont devenir sales. Dans tous les cas, il peut en aucun cas, eh, c'est-à-dire tant qu'il y a un militant qui, qui, est touché au Covid, soyez en sûr que c'est tout l'établissement qui sera touché. Ça, c'est sûr. Mais vraiment besoin de en tout cas, ça c'est. Même notre forage ne fonctionne pas bien. Babu Marwa. Babu Marwa. Babu Kutako. Écoutez, nous, Ekolemu, Nanga ah, Sambalakali, ah, c'est vrai, c'est vrai, les gens, Moutane Sunanei, Sunanang, Ida, Yakama, Won Yakamatsu, mm. mais si on va de manière objective on va carrément fermer cette école on devait même la fermer cette école parce que quand on parle d'école, il faut un certain nombre d'ensembles. Il faut qu'il y ait des infrastructures, il faut qu'on ait de l'eau, il faut qu'on ait de l'électricité, il faut qu'il y ait une clôture. Tenez-vous bien, vous avez plus de 1000 élèves ici vous avez plus de 1000 âmes qui sont inscrites dans cette école. Mais très malheureusement, toutes ces personnes-là sont exposées parce que l'école n'a pas de clôture. Les, les, automobilistes traversent, tout le monde rentre. Donc, heureusement que les gens ne basi kaman basi bras insou. Ça pour chiner mon les pneus là. On a c'est pour que nous puissions un peu limiter les dégâts. Éviter au moins que les gens, les automobilistes qui font les drifts, mais les motards qui traversent la cour ne puissent rentrer. C'est pourquoi chaque élève amenait un plein de chez lui. L'école avait lancé opération de mouille baptisée opération un élève impuni. Quoi élève ko guda guda ya ko Il y a des élèves qui sont à Koubia wanda suke Koina. Quoi mhm. ya ya zo pneu inchi. On a pris une journée pour du moins un après-midi pour les pour les enfants au, hmm, de limiter les dégâts. Il faut voir, l'on dit, on est, on, on est, on, les conditions d'études ne sont pas réunies ici au SABM. Une classe de 100 élèves, terminalistes, 100 élèves, 9 élèves, quel est le résultat qu'il faut atteindre Ou bien une classe de 6e vous avez jusqu'à 100 élèves, ou bien une classe de 5e vous avez 90 élèves. Et imaginez, vous avez des chantiers devant vous. Nous avons des chantés ici qui ont fait plus de 7 ans. On ne comprend pas l'État est là, l'État c'est une école publique, l'école est là pour former des citoyens. Mais ici, nous avons l'impression qu'on est en train de, former plus des frustrés que des citoyens. Parce que quand vous estimez que vous êtes lésé par rapport aux autres enfants, soyez en sûr que vous ne formez pas un citoyen, mais vous, formez, vous continuez plutôt à former un rebelle potentiel. c'est pourquoi, c'est pourquoi moi j'ai un appel à l'État pour que on cesse les inégalités. Quand vous construisez une clôture pour une autre école, faites en sorte que toutes les écoles du puissent en profiter. Parce que nous sommes dans une école publique. Élèves na 6e, na 5e, basse de classe aussi. Bas sur classe. On est de classe ma on est kin su. 70 élèves, 80 élèves, rotation Comment un 5e, un premier bas sur un sur de heure creuse, mu gudu, mu mu tayi mu yi zama C'est comme ça qu'on fait. Ça ne gère pas. Donc au lieu que l'élève puisse bénéficier par exemple, l'élève peut avoir un cours d'une heure de mathématiques. Si c'est si c'est de façon rotative, cet élève-là, il ne pourra même pas avoir 45 minutes parce qu'il va mettre 20 minutes avant de s'installer. Et quand l'enseignant rentre, c'est à peine ils vont bénéficier d'un cours de 30 minutes. Donc, cest déjà, ils sont en train d'être lésés par rapport aux autres enfants. Donc, congélé, j'espère que cette euh, rentrée sera l'occasion de régler non, mais problème le, le problème. Et quoi, euh, commence à même Rabi, le problème qui se pose, c'est que très malheureusement, cette rentrée de 2020-2021 ne présage rien de bon. Nous sommes non seulement dans une année électorale, on est d'accord, mais indépendamment de l'année électorale, nous sommes aussi en face des enseignants qui sont en train. Déjà, il y a un mode de grève qui est lancé de 112 heures. À partir du lundi, déjà, les enseignants vont commencer à aller à grève. Et c'est la fédération, ce n'est pas un seul syndicat qui l'a lancé. Pour qu'on parle des collèges de qualité d'enseignement, il faut que les acteurs clés, qui sont les enseignants, il faut qu'ils soient motivés. Tenez-vous bien qu'il y a des enseignants qui ont 7 mois de Il y a des enseignants qui ont des rappels de, plus, de qui sont recrutés plus. Comment cela lit Et on ne peut pas développer un pays tant, tant qu'on fait en sorte que l'éducation soit le dernier des soucis. Pas d'éducation, pas de développement. Qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça to ai yanzu banda ma grave kin da kuke zance na enseignant, ya dai ma bangaren ku maintenant ça c'est un peu tassé mais 13e congrès kin na connu union des scolaires nigériens USN la principale structure hein, des scolaires nigériens tenu du 7 au 9 octobre 2020 à Bermond, Maladie, an dan samu wasu tashe-tashe hankali da ya biyo baya to wana agitation kin da muke ji har yanzu a ça va pas impacter wannan anan kuma an fara rantare da da tashin hankali cikin section kin 11 da zan ci hada etudiant ma eh nan don mu haɗa muku hmm. eh, ba wai harka bane ne ta ƙungiya duka ta ƙungiya na, iya e shan duka harka ne da akwai wa'ansu wa'ansu cikin ƙungiya wa'anda ba su son 'yan lokal su ci gaba wa'anda ba su son ƙungiya eh, ta, tashi Euh, pour que l'ISN se lève pour revendiquer, c'est-à-dire les droits de ces militants, ces gens-là luttent pour leurs propres intérêts. Si vous prenez l'exemple sur Lenoun, l'exemple sur Lyonous, l'exemple sur, sur, euh, sur, sur Lyonout et, et Lyonouti, c'est des sections universitaires qui se sont mobilisées. D'abord, il y a 85 sections au niveau de l'USN. Et parmi ces 85 sections, il y a 4 sections qui se sont vues euh, pour pouvoir imposer un comportement au niveau du Congrès statutaire de l'USN. pour dire que coûte que coûte, il faut qu'il puisse y avoir des représentants universitaires au niveau de la structure dirigeante de l'USN. L'impact que ça a sur la rentrée, uh-huh. c'est pour vous dire que... L'année, carrément. Euh, et sur l'année, bon, c'est pour vous dire que l'avenir de l'USN reste, reste toujours par rapport à nos aînés. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de division. De ce côté, ça va aller. On peut compter sur vous, quoi. ça va aller. D'accord. Ouais. Ah, parce que franchement, ça fait beaucoup trop de problèmes là. <laughs> Comme je l'avais dit tout à l'heure, il n'y a pas de fada sans musique. Du coup, on va aller se détendre un peu. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous passe comme musique Les jeunes, Yayane, c'est qui le mélomane du groupe Ah, c'est toi. Tu ressembles à une star. Tu es habillé comme une star. <laughs> Gamou, what musique qui soit 227 shillings. Mm. D'accord. Euh, il demande 227 euh, shillings de Hakim. uma sura tu już jest zapaj. ana ta yi ana ta yi ana ta yi ana ta yi muna ji muna gani ana ta yi muna gani suna ta suna ta suna ta suna ta yi ka kuka hana kai t'es mal feeling t'es mal le t'es mal le chilling mal le mal feeling t'es mal bling bling de de ce killing, t'es mal le mal feeling t'es mal le t'es mal le chilling mal le mal feeling t'es mal bling bling de de ce killing, t'es mal le alaikum alaikum wasu fasa son su gan mu sun fi son su gan mu mun jere taya wasu fasa son garin su sun fi son su kawo bako garin mu su ba shi tuwo da nama su kama mata ma ya danne oh. a ba shi kuɗi da mota ya koma can gidan shi ya zamana su ci da ɗiyan makwabta su bar 'yan gidan su ma da yunwa wallahi Allah T'es mal, t'es mal, t'es mal. Niquer le best comme pas parler. Le 24 octobre, on va inhaler. Pas ah. de défilé, ah. on va s'enjailler. T'es mal le feeling, t'es mal le T'es mal le killing, t'es mal le T'es mal le feeling, t'es mal le bling bling. De de cette killing, t'es mal le T'es mal le feeling, t'es mal le T'es mal le killing, t'es mal le T'es mal le feeling, t'es mal le bling bling. De de cette killing, t'es mal le Bibi, pourquoi il garde mon après 227 chilling de Hakim, on revient sur cette fada qu'on a bientôt fini. Aujourd'hui à la fada, il est question de la rentrée scolaire 2020-2021. année, Elle est vraiment particulière, mais bon, comment ils l'ont préparée, comment ils ont vécu cette rentrée, pour le moment dai muna nan dai ta matsaloli kaya guda a wannan fadar muna tare da monsieur Kalilu Kalasi professeur kin français ne Mohamed Abdu shi kuma na section régionale lycée et collège Moussa Suleiman da ke classique kin terminal A de Oumoulker Idrissa, ita kuma a première A take tambaya ta ta karshe kan ba Olivier magana ina so in san quelles sont vos attentes ku ke jira pour que vraiment vous sentez que cette année ça va aller quoi on va pas baisser les bras à la rentrée déjà, quoi. Tout d'abord, nous avons besoin de classes. Ok. Des classes. Après, nous voulons aussi une clôture. D'accord. Après les clôtures, il faut aussi qu'on ait de l'eau et de l'électricité puisqu'on n'en a pas. kun ji dai mulkiyar ta ce ruwa da kwalkinsu ba su da mur ba a kare ba suke suna kan titi kuma suna neman klasoshi tunda cikin klasoshin zana suke kuma suna son ruwa da da huta ba su da ruwa da huta a ikwalkin su ita an aka kama ta wannan kawai sai bon on peut compter sur elle ko mata zama premier premier de sa classe dai ita ce wannan kai take jira a kawo mata ya mu sunanka Ça va Tu t'appelles comment ah, ça va. Je m'appelle Rashid Amiskora. Rashid, kai kuma me kake jira a wannan anan pour que kai terminal aka je kama ko? Ah, premier D. Premier, premier D. Bien sûr. Ah, ND ne. <laughs> de quoi tu as besoin ou si je peux parler d'une manière générale de quoi l'école nigérienne a besoin à Gananka bon qu'est-ce on a besoin de comment mon avocat a da bukata dingue kula da établissement qui était ya tunda vous voyez comme si on prend notre établissement il y a certains même qui ne connaissent même pas notre établissement vous voyez, il n'y a pas le et eh, la clôture. Et, et puis, il y a des, même des gens qui viennent ici. Vous voyez, les gens qui filment là, les choses. in sun gamu da shaye-shaye da yan mana in sun gamu a kamar mu na nan su ma suna rikicewa sai a ta yi a ta yi kun gani tunda an ana taita yi tare kowa eh, kowa ma kenan yin shiga to yanzu ana kurna za ku ga ya dejan kifa sa avec leur moto ah, Bien sûr. Nous, on pensait même que, il y a des mariages à côté de notre établissement, alors que ce n'est même pas ça. <laughs> C'est énorme ça. Ouais, Monsieur, c'est vrai que... C'est triste, mais c'est la réalité. C'est très triste qu'on constate qu'en ce 21e siècle que nous continuons avec ce genre de réalité ici au Niger. C'est regrettable, mais c'est la réalité. En ce dont on a besoin, je vous l'avais dit, il n'y a pas de prémisse positive. C'est-à-dire l'année, vraiment, les, les, couleurs ne sont pas bonnes. Enfin, de mon point de vue, il n'y a pas de... Vraiment, les couleurs ne sont pas bonnes. Ça risque d'être comme l'année surpassée, où le cause n'a fait perdre beaucoup de temps. Parce qu'on a l'impression que les autorités n'ont pas, euh, comment on appelle ça, une oreille attentive vis-à-vis -vis de ces syndicalistes-là qui, chaque fois, prennent les cours en otage. Parce que c'est eux-là qui vont en grève tout le temps. C'est des enseignants, c'est eux qui tiennent les élèves dans les classes. Comment, bah, comment, bah, qui est dans tes grèves Comment Il est normal, il est même de leur devoir de, poser des problèmes pour qu'une solution leur soit trouvée. Qu'est-ce qu'on va faire <coughs> au lycée au collège. Bon, euh, vraiment, euh, pour que l'année soit embellie, pour que l'année, les militants puissent euh, avoir des bons résultats, il va falloir le mettre dans des conditions euh, d'où, entre autres, euh, le gouvernement, et surtout l'enseignant, et surtout les autorités en charge de l'éducation, de prendre, c'est-à-dire nos revendications comme au, dessus de tous leurs problèmes. Parce que, pour vous dire que vraiment, sans table-banc, il n'y aura pas d'école, sans professeur, il n'y aura pas d'école. Et en un mot, c'est pour vous dire que vraiment nos revendications sont au niveau des ministères et aussi du gouvernorat et aussi la ville. Euh, mhm. pour qu'ils puissent apporter des solutions. Et sans ces solutions, euh, je pense que nous aussi, très bientôt, nous allons pouvoir euh, suivre les pas de nos enseignants pour pouvoir revendiquer nos droits. Oli, ah. Nigeria, Ouais, ah, destination Nigeria. Mais on va pas aller à Kano, on va direct Lagos. Ok. C'est bon on y va. Allez, décollage, suis. décollage imminent. Bonsoir à tous, amis de la FADA et amis auditeurs et auditrices. Du programme de Studio Kalangu. J'espère que vous allez bien ou que vous nous recevez. Destination Nigeria ce soir, pas pour parler de la dernière sortie d'un artiste afrobeat, ni pour parler d'un film Igbo, mais c'est pour évoquer les violences policières qui secouent la ville de Lagos et dont les images sur sur les réseaux sociaux. Amis auditeurs et auditrices, aujourd'hui, je vous emmène au Nigeria pour parler du End SARS. D'abord, on se demanderait c'est quoi le End SARS End Specially Anti-Robbery Squad ou bien eh, la fin de la brigade spéciale de répression des vols. C'est un mouvement sociale au Nigeria qui a commencé sur Twitter, appelant à la suppression de cette unité de la police nigériane. C'est comme lanti d'une manière ou d'une autre. C'est un appel qui dénonce également l'oppression et la brutalité policière au Nigeria lors des manifestations. Les populations ont souvent dénoncé ces violences policières, mais ce 5 octobre, un compte Twitter de moins de 1000 abonnés a relancé la plus belle, la polémique. Le tweet disait ceci, le SRAS vient d'abattre un jeune garçon dans l'état du Delta. Au moment où nous parlons, en face des hôtels, ils l'ont laissé pour mort sur le bord de la route et sont partis. J'ai des vidéos, a dit le tweet. Depuis, ce tweet a reçu de plus de 10 000 retweets. Ensuite, des manifestations dans les rues ont suivi le mouvement. Le tout est couronné par des pillages et deux magasins selon la BBC. C'est dans le sillage de ces manifestations que dans l'état d'Edo, plus de 200 prisonniers s'étaient évadés. Eh bien, cette manifestation virtuelle a eu des effets dans la vie réelle. Bien que les jeunes demandent au président Mohamedou Bouhari la dissolution de l'unité policière indexée, ces jeunes restent insatisfaits car ils veulent des réformes totales de la police. Selon Isha Khalid de BBC News Abuja, cette manifestation NSARS représente un défi sans précédent pour les dirigeants nigérians. Eh bien, cette révolution virtuelle qui s'est ensuite transportée dans les rues de plusieurs États du Nigeria et même dans d'autres capitales du monde comme Londres au Royaume-Uni, phénomène galvanisé par des artistes de la chanson comme Davido, Wizkid, Rude Boy, Flavor Nabania et bien d'autres. Et eh bien, aujourd'hui, j'ai vu Rihanna elle-même, elle a tweeté sur le n pour te dire que c'est plus une affaire du Nigeria, c'est plutôt. Mondial, ouais. Parce que Rihanna, c'est plus de à 10 millions d'abonnés. De, d'abonnés Donc, euh, écoute, si elle. Ouais, c'est devenu mondial. C'est relou. Comme le raconte la BBC lors d'une manifestation à Londres, le chanteur euh, whisky avait déclaré votre voix a été entendue. Ne laissez personne vous dire que vous n'avez pas de voix. Vous avez tous une voix et n'ayez pas peur de vous exprimer. Les prochaines élections faisant référence en 2023 nous montreront un réel pouvoir. Juste pour dire qu'aujourd'hui, euh, au Nigeria, suite à ces manifestations-là, les jeunes sont prêts à s'engager même en politique. Ils attendent euh, leurs dirigeants au tournant, on dirait bien. Ils attendent leurs dirigeants au tournant. Eh bien, on se quitte euh, avec euh, cette note positive. Au vu de tout cela, moi, je dirais tout ceci. Il est maladroit de dire que la police est violente et corrompue. Pour la paix, l'équité, la, justice sociale et bien d'autres valeurs, c'est un devoir que de chacun de nous de dénoncer les abus de pouvoir, que ce soit au sein de la police et d'autres institutions. Mais il faut le faire dans les règles de l'art. Et demain, dans la chronique, nous allons parler de comment porter plainte si on est violenté par la police dans la chronique avec Mr. Dandy. D'ici là, portez-vous bien et surtout, prenez soin de vous. Ok Olivier, euh, merci pour cette chronique pleine d'informations. J'espère que vous avez aimé euh, la chronique d'Olivier. On lui applaudit un peu quand même. Voilà. Merci pour ce travail Olivier. Euh. Ben, voilà, c'est la fin de l'émission Tout ça à la Fada, français ça. Dans cette école, les élèves ont besoin de plein de choses pour que leur année soit une année normale. Wannan matasan abinda suka tambaya da su da mu nasu don dai a samu dai ita dai wannan lakwalkin dai karatun bana a yi shi dai lahiya a ƙare shi lahiya to sai mun ƙara haɗuwa bisa kan shirin na tus alafada abokin aiki na don zai ci gaba da hira tare da su shi kuma zai yi zance bisa kan mahutar da za a nema da shawarwarin da su wa'annan matasan suke da su da mushuka nasu don da ita dai wannan wannan karatun da bana a yi shi lahiya a ƙare shi lahiya sai mun ƙara haɗuwa bisa kan shirin tus alafada a huta lahiya.